tey li ñu fi dajale tey ci suba mooy dañu dalal euh, le réseau africain pour la recherche en fiscalité en Afrique muy benn ndaje mu rëy moo xam ne dafa dajale réew yu bari ci Afrique dajale ay borom xam-xam ay gëstukat ak waa société civile ngir ñu saytu jafe-jafe yi nga xam ne yi ni mu duggee ci koom-koom bi ba nga xam ne léegi niñ daan liggéey xaalis ak ki ko gérer entreprise dafa soppeeku ndax numérisation bi donc mu am na jafe-jafe yu mag yoo xam ne numérisation boobu daf koy indil administration fiscale donc looloo ñu fi dajale tey ngir ñu xool ñu nit nan la ñuy fagaroo ngir mun a wut ay pexe ngir défi yooyu ñu mun a jànkoontoog ñoom waaw numérisation bi moom xam nga mu ngi ci espace yëpp mu ngi ci espace privé espace public yi bàyyiwul dara comme comme yi yéen ñi bés bu nekk ngeen jënd léegi ay euh, marchandises ci euh, ci réseau yi ah, donc euh, numérisation bi bàyyiwul fenn mu ngi ci espace yëpp mu ngi ci réew yu mag yi mu ngi ci suñu réew yi donc défi la indi nag bu mag a mag ñun it ñu ngi seet nu ñuy xalaate ñuy réfléchir pour am benn gis-gis boo xam ne réewu Afrique yëpp ñoo ci manko ngir mën a on vient de lancer à Kampala pour la célébration de notre dixième anniversaire euh, euh, une édition 2019 sur la perspective fiscale africaine euh, qui justement montre que pour à peu près 34 pays africains de, des administrations fiscales africaines les revenus par rapport au PIB représentent à peu près 15%. Donc on a un potentiel énorme en Afrique. on n'est pas dans les niveaux des, pays européens, mais on a un potentiel énorme. Et justement, euh, c'est un des, une des missions de la TAF, de se rassurer qu'on équipe le plus possible les administrations fiscales africaines pour la maximisation des, de du recouvrement des recettes intérieures. Parce que justement, toute cette année, justement, comme on l'a dit, euh, au sein de la TAF, euh, la plupart de nos réunions, de nos, de nos conférences se portaient justement sur la numérisation et le thème aussi de la, cinquième, le, le dixième anniversaire de notre, la célébration de notre dixième anniversaire se portait dessus. C'est parce qu'on a il y a un potentiel énorme. Euh, et, et, les, vous, vous savez, avec l'admiration, les choses avancent très rapidement. Donc on essaie de faire en sorte que les administrations fiscales se positionnent rapidement pour prendre, euh, pour, pour, bénéficier de justement prendre tous les, les, les avantages possibles pour être sûr qu'on ne reste pas à la traîne à nouveau. Donc au niveau technologique, au niveau de la, euh, de législation, au niveau des, des, des, réformes et des politiques fiscales, mais aussi au, niveau du soutien, du soutien, du support politique dont on a besoin pour être sûr qu'on prend le plus possible avantage de, de, de, de ces bénéfices ou sinon, euh, dans cette quatrième révolution industrielle, on risque à nouveau d'être euh, à la traîne.